plus simple et moins dangereux, et surtout pas avant la ligne d'arrivée. Vous avez, pu voir que, si vous avez reconnu l'arrivée, qu'il y a un certain nombre de ronds-points. De, pas de ronds-points, pardon, De, d'Odane. vous avez 10 tours pour voir où ils sont. Comment Je pense qu'ils vont nettoyer ça, on va faire en sorte de. Néanmoins, hier, compte tenu que vous ne connaissiez pas l'arrivée, donc le logo principal. peut retenir que le tour est bien parti cette fois-ci et que hier déjà on a assisté à une très belle étape et aussi l'étape de Saint-Louis, l'étape de Pire. Et vous avez vu l'apothéose qu'il y a à Thiès quand même. Hein. C'est une très belle étape, tout le monde est là, c'est le rendez-vous. Je pense que c'est formidable, c'est fabuleux ce que je viens de vivre ici à Thiès. Vous savez, moi je suis amnésique. Je suis amnésique, donc j'ai oublié la première journée. Donc je ne vois que l'avant, il faut positiver. Il y a eu quelques quads euh, on voit dans tous les tours pratiquement. Donc c'est pas alarmant pour moi, mais vous savez, les gens sont très alarmistes, donc ils ont eu peur, les gens parlaient de tous les côtés, surtout vous les journalistes, hein. vous êtes, <laughs> vous êtes terribles. Hein. Bon, donc, mais je vous dis qu'il n'y a aucun problème, le tour est parti sur les chapeaux de roue, donc maintenant, euh, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais vous savez, quand il y a quelques couacs, c'est qu'il y a quelques petits soucis financiers. C'est pour ça ce qui fait qu'on est obligé de colmater. Mais si j'avais le budget sur la table, il n'y aurait pas eu le problème. Techniquement, on est bien armé. Mais les, les les coureurs sénégalais ils sont moyens là dans le peloton. Ils sont moyens là, vous avez vu, ils sont dans le peloton, ils se battent. Bon, jusqu'à présent, ça va. Ça va, ils sont dans le peloton. le cette euh, édition est que le oui, le niveau est très élevé. Vous savez, on est UCI Africa Tour. Hein. Donc, c'est des gens qui sont là pour pêcher des points pour les championnats du monde ou bien les Jeux Olympiques. Donc, euh, le, Sénégal est incontournable. Peut-être c'est au Sénégal que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais nous, nous avons une compétition de très haut niveau. Et vous avez vu, ici, on parle technique, l'étape d'hier, c'est disputé à plus de 45 de moyenne. Donc, les trois premières heures, ils ont fait plus de 45 de moyenne à l'heure. Donc, vous avez vu, c'est costaud. Hein. c'est une très bonne moyenne qu'on voit dans les courses professionnelles, même dans le Tour de France. Donc c'est des gens qui sont des pros parmi eux. Il y a l'équipe Sova qui est une équipe euh, continentale, donc qui est là, qui est la première équipe continentale d'Afrique. C'est l'équipe de l'Algérien euh, Youssef euh, Et il y a des Belges qui sont dedans, donc c'est une équipe cosmopolite. C'est comme dans le match de foot, PSG, Barcelone et tout ça. Le cyclisme est composé comme ça, c'est comme dans le Tour de France. On peut voir par exemple les Sky de From, il y a des Australiens, il peut y avoir des Belges et tout ça. Donc le le cyclisme africain se professionnalise. Donc c'est ça, euh, c'est une course de très haute facture, vous avez vu, ça se bagarre. Et c'est difficile de voir le peloton éclater. Ça part, ça revient, il y a des attaques de tous les côtés. Donc je, doute que, je dis que le Tour du Sénégal a un très bon niveau. Donc de grâce, les Sénégalais n'ont qu'à suivre l'intérêt du Tour du Sénégal. Ce n'est pas une course de quartier, c'est une course internationale, superbement internationale, qui regroupe du monde. Et vous avez vu les étrangers qui sont là. C'est très bon pour le tourisme. Et là, l'ASPT, elle a compris. L'agence euh, sénégalaise de promotion touristique l'a compris, qui est même le maillot jaune. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose de fabuleux. On ne peut pas dissocier le cyclisme, de tour du Sénégal et du tourisme au Sénégal. C'est un moyen écologique. Je pense que tout le monde se sent bien. vous avez vu aujourd'hui à Thiès, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est vraiment époustouflant. Donc je vous remercie déjà parce que je devais passer par ça, vous les journalistes. Je vous cogne de temps en temps, mais c'est amical. Hein. D'accord, hein, c'est sûr. Donc quand je cogne souvent, ce n'est rien du tout. C'est pour plaquer. Bah, je dirais que c'est un tour qui, n'est pas facile, euh, surtout pour les Rwandais, même s'ils se débrouillent pas mal, euh, vu que ça, se déroule sur un terrain très différent du terrain du Rwanda, qui, est un terrain de, très montagneux. Donc, euh, je pense que c'est une bonne expérience pour nos coureurs. par rapport au niveau, qu'est-ce que vous ressentez le niveau est très relevé. Euh, nous avons en face de nous des coureurs algériens qui sont très forts, nous avons des Français aussi qui ont de l'expérience et moi je trouve que le niveau est un niveau très satisfaisant. Et ce tour du Sénégal vous a permis de visiter le pays de la Oui, par exemple, moi c'est la première fois que j'arrive au Sénégal et je suis très content de découvrir ce pays euh, qui, est un pays très proche, un pays très ami et ça me fait plaisir d'être là. Et vos rapports avec la Fédération sénégalaise Nous avons très bon rapport avec la Fédération sénégalaise de cyclisme depuis bien longtemps. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe rwandaise euh, vient, au Tour du Sénégal. Et Monsieur Tube, euh, on est aussi ensemble membre du comité directeur de la Confédération africaine de cyclisme. Donc on se rencontre souvent, on échange souvent sur l'avenir du cyclisme en Afrique. Merci. Donc bonjour, moi je suis euh, Damien Baron, je suis le directeur général de la Soboa. Donc nous sommes partenaires du, Tour cycliste du Sénégal. Et je suis venu aujourd'hui à Thiès voir comment ça se déroule et je suis plutôt content de l'engouement du public, de ce qui est mis en avant, de la course. Euh, c'est une bonne opération, c'est très sympathique. Euh, donc la Savoie est prête à accompagner euh, le cyclisme pour encore plusieurs années. Oui, ça fait déjà plus de 20 ans qu'on est partenaire du, Tour cycliste. On est partenaire du sport à la hauteur de nos moyens. Hein. On, a, est très, toujours très sollicité. Euh, donc on est partenaire du sport, des tournois sportifs, du football, de temps en temps le basket, le vélo aujourd'hui, euh, les arts et la culture. On essaye de faire toujours la hauteur de nos, moyens, mais d'être partenaire de, du, Sénégal des activités euh, sportives ou culturelles. waaw tey def nañ tuddee ay Sénégal te mooy parce que quatrième étape bi course bi nekk course bu yomb course bi dafa parce que gars yi dafa nekk course boo xamante ni gaa yi ay point lañu kon équipe bi fi nekk dañ ko ñuy équipe ndaw équipe yi mag lañ parce que équipe yëpp dañuy am na ay compétition ñun tam ñun yàgg na parce que def ay da def parce at bi boo xoolee ay ñaari nga compétition affaire yooyu bëgg leen a gagné kon loolu du nekk du nekk loo xamante ni dina yomb. waaw ah, mais Bécaye kon condition yi daal vraiment euh, permettre loon pour nga mën a def course bu bu bu mag quoi. non man moom man moom euh, bu ñu am condition amuñ condition man su ma xasee ba yéeg rek sama fulaak fayda laay def mais tamit euh, fédération bi gouvernement bi dañoo jàppalewul dara. Ah, moom laa lay wax nii parce que condi loo bëgg bëgg aussi te condition yi taxawul. waaw dëgg la parce que amuñu préparation zéro préparation zéro amuñu ko nga bëgg a gagné ñii. loolu mënta nekk bo préparé do gagner kenn kenn nga dul gagner kenn nga dul gagner wa ah, parce que tamit fi ño xamante ne yow ñoo la conversion ño ngay départ départ ba fin ngay arrivé ñom kon xam nga buñu ñu la préparé woon kon yow né gagner gagné far force. mais la preuve avant ñu commencer sax maa ngi dégg ay problème ñu ngeen amoon départ démarrage eh, démarrage bi ba finalement sa Dakar finalement naroko nar won nar won nar won dem. waaw moy li ma la wax rek parce que ñom dañu dañu tegul ñu nit dañoo teg ñun fekk ñun ñun ñun dañuy dañuy représenté Sénégal xam nga dañuy représenté Sénégal tamit euh, Sénégal équipe Sénégal bokk na ci équipe yi nga xamante ne noonu tey Afrique loo mën a wax te tuddoo ko loo mën a euh, kenn doo leen fent te doo leen tudd parce que dañaan bo dañoo bokkoon parmi les meilleurs parmi les meilleurs lañ bokkoon xam nga mais fédération bi euh, ñoom ñoo seen seen liggéey bi ñu war a def dañoo liggéeyul dañoo liggéey fii da nga gis ay yenn dëkk yi dañoo avancé parce que tax parce que seen kuréel dañoo jël di leen yóbbu ay ay centre mondial di yóbbu ay Europe ñuy daw xam nga di leen jàppale moo tax boo chaque jour dañu def ay résultats def ay performance sport bu fekkee sportif yi jàppale ko du mën a dem nga bëgg après mu mu bëgg a gañe mënut a nekk. léegi mais matériel bi ngeen di compétir ak yéen tout ça kan moo leen ko jox. waaw am na si loo xamante ni fédération bi ñoom ñoo ko moom am loo xamante ni ñun ñun ñoo ko moom. Ah bon yéen a am lu leen moom moo def fédération moo leen jox lépp. non fédération bi am nañu boo yoo xamante ne fédération moom lañu jox vélo man fédération bi jox nañu vélo mais vélo nga tamit euh, biñ départ parce que biñ que ba ñu ngi yore suñu xaalis ba léegi jox guñ ko parce que suñu sax nar woon nar ñu woon jël départ départ nar ñu ko waaw léegi instant bi am nañu gars yi ñëw wax nañu ñun affaire yooyu parce que nee nañ daal balaa course bi jeex nañ jox nañ jox suñu xaalis waaw ñun leen amul problème parce que tamit des fois dañ koy def des fois dañuy naan dañuy wax ak ñoom ba kii dem ñu dem ba fin bi duñ la jox sa xaaj téye ko di la këyit këyit loolu di la pomte pomte. Euh, léegi daal euh, lan mooy lan lan lan la fédération war a def nag léegi pour vraiment ngeen mën a performant. dañoo war a jël bàyyi booy ñuy dem di def ay compétition dañoo war a bàyyi jàpp di jàppale booy ñuy def ay compétition parce que nit moom boo bu deful compétition doo mën a am performance xam nga xoolal booy booy nga xool booy booy. parce que amuñu préparation mais chaque jour ñun le peloton bi loolu boo am préparation lu ñuy chaque jour c'est parmi les meilleurs. parce que mon problème yi me dégg yëpp ñu ngeen am ko ba pare après pourtant bokk ngeen peloton bi ba mu non chaque jour kay chaque jour ñu ngi chaque jour ñu ngi chaque jour ñu ngi si kon nag ñoom li ñu war seen liggéey dañu ko parce que Afrique instant bi nii comme ni ma la Afrique amoon na temps la wax nii amoon classement africain yi boo xoolee ci vingt premières yi dañu gis man le meilleur naa ci 10 premières yi. mais léegi mënut a si bokk parce que defoo compétition defoo dara donc moo da nga see mënut a bokkati instant boo xoolee ñu gën a ay si vélo Afrique instant bi si lañ bokk xam nga te bu ñu naan dem compétition dañuy dégg équipe bi di laaj ndax Sénégal ñëw na xam mais instant bi bu Sénégal ñëw bu Sénégal ñëw ñoom lijjantiwuñ ko xam nga parce que fédération dañoo liggéeyul dañoo war a liggéey dañoo war a liggéey jàppale booy parce que am na booy yoo xam te ne am nañu ay talent ci vélo bi na leen jàppale di leen bàyyi ñuy dem def ay compétition li ñuy ay centre suisse ak yëpp ñuy def ay compétition parce que ñu mën am ay yu baax parce que la moo gën ñaaw organiser sa sa tour amoo si benn victoire loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw. loolu mu dëgg la loolu mu dëgg la mais xam naa ne état bi dina la te bu la xam naa dina def dina def effort. ah parce que boobu léegi ñun boobu ñun boobu ba léegi ñun boobu léegi ñu ngi ko ñu ngi koy wax boobu ba léegi 2015 fii laa naa vélo 2 ans. te dama ñëw ñëw naa dama ngay ñaari étape ba léegi ni defuñu dara mais am loo xam tamit dafa ñaaw parce que ñun fu ne la dem di di muyee la mayo te bu buñ demee tamit dañuy def suñ kéem laa kattan mais ñoom tamit dañu war a tamit góorgóorlu tuuti dañu war a góorgóorlu tuuti.